Euh, chers frères, chers soeurs, l'association Caravane Solidarité, donc l'équipe SACU Action pour l'Espoir s'est déplacée dans le village de Bakojol pour visiter l'école Bakodjol, euh, plus précisément la classe que vous avez bien, voulu offrir à ce village. Donc, euh, euh, comme vous pouvez le voir, la classe est en construction, donc les travaux ne sont pas encore finis, malgré que la rentrée des classes a été effective il y a quelques jours. Mais comme vous pouvez le voir, ça peut s'expliquer par le fait que nous sommes sortis juste de l'hivernage, donc le, village était inaccessible, donc c'était un peu difficile de ramener le matériel qu'il fallait et, et l'accessibilité, donc ce qui fait retarder un peu les travaux. Alhamdulillah les travaux avancent bien. Donc nous avons parlé avec euh, euh, l'entrepreneur qui nous a bien précisé que d'ici 10 jours, Inch'Allah, les travaux vont, vont, finir par la grâce d'Allah wa Comme vous pouvez le voir, nous avons deux classes. Euh, donc cette troisième, cette troisième classe sera une aubaine pour l'école, donc qui, s'agrandit. Donc comme vous pouvez le voir, les enfants sont en récréation. Donc l'école grandit, s'agrandit de plus en plus. Inch'Allah, cette, cette, cette, classe pourra accueillir Inch'Allah les petits, les petits ainsi que euh, d'autres enfants des, des villages qui vont pouvoir venir, Inch'Allah, euh, étudier ici. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette action et d'en faire pour vous une sadaqatul jariya. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette classe puisse sortir des, des, savants et tout ça, ça des hasanat pour vous d'ici bas et dans l'au-delà. Donc nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, d'ici quelques jours. Nous allons repasser, Inch'Allah, pour faire une vidéo finale, Inch'Allah, vous montrant... Euh, l'entrée en classe de ses enfants dans cette école. Barakallahu fikum wa jazakum jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nuyu di lay de di rafetlu seen dans le village bi parce que boo xoolee moom ñun moom yàgg nañ si dëkk bi presque def naa fi sept ans ren waaw presque muy gën avancé par rapport ak première année yi daal parce que boo xoolee buñ fi ñëw ñaari salle lañ fi fekkoon ñuy dem ñuy dem ba taxawal benn mbaar mbaar boobu nag moo indi classe bi. presque chaque année daal dañuy gën a dañuy am ay élèves parce que boo xoolee élèves yi ñoom ñëpp duñ fi jógee duñ jóge si benn village presque ay quatre village daal ñoo ngànk école bi mais classe bu bees moom buñ ko déggee moom presque am nañ ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi woote téléphone pour seen doom ñëw di jànge si école bi waaw mais instant yi moom dañ leen di wax ñoom ñu xaaragum ba classe bi pare bu kiyee daal ñu mun a ñëw vraiment daal waa village bi ñoom ñëpp kontaan nañ si li ngeen def si dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal encore yàlla gën leen a taxaw ñoom ba seen liggéey aar leen sàmm leen daal. la la la Donc, Alhamdulillah, nous sommes euh, dans la mosquée euh, du village Bakodjol. Donc, euh, pour les frères qui ont financé l'équipement sonore pour, cette mosquée. Donc, Alhamdulillah, nous sommes là pour vous montrer l'installation. Donc, voilà, l'installation, est terminée. Donc, vous avez l'ampli, la batterie solaire. Donc, en haut, vous avez les haut-parleurs. Donc, les villageois, ils ont commencé à utiliser cet équipement pour faire les appels à la prière. Donc, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pour les prières quotidiennes, les appels qui seront faits pendant les prières quotidiennes, que tout ça soit une sadaqatul jariyah pour les frères donateurs. Euh, comme le Prophète a dit, celui qui construit une mosquée euh, pour Allah, Allah lui construit euh, une maison au paradis. Et donc nous pensons que ces équipements font partie de la mosquée. Nous demandons à Allah wa ta'ala de vous récompenser par le paradis Firdaus. Nous disons barakallahu fikum wa jazakum la wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين la la la